d'abord rafetlu liggéeyu frère Yankoba Diatara secrétaire national à la vie politique et directeur des structures nga xam ni moo dajale fii tey responsable parti bi yëpp ñu jóge ci commune ñu jóge ci département ñu jóge diaspora pour ñëw waxtaanee suñu parti mais tamit fexe ba nu ñu taxawalee ay kuréel

la structuration à la base à partir des centres de vote il y a un bureau politique am également en parallèle un secrétariat un secrétariat national le le gouvernement du parti bureau politique de l'assemblée nationale nous doon les patrons du parti parce que nous avons une ci base nous ñu à partir de la vraiment

moom la yalla def ci deuxième tour mu upp ay nit donc nit moy fal nit et par conséquent il faut nous organiser partout autour des centres de vote jëm ci kaw gën ko lawal pour que ñu am. déjà li ngeen war xam moy parti bi activité bu fi am moom mo koy valider d'abord avant nit du ko def moo valider lii nga xam ni le frère dem ko ba jafale def na ko waral ñu nekk fi ñu nekk mom nak ci ni muy doxalee dafa doon ki nga xam ni day responsabiliser.

metti parce que da ngay dem ba sore élection ñëw te bu élection ñëwee nak xana da mobiliser nit ñi ci élection yi déjà ñu mëna a régler problème d'encadrement électoral bi le personnel centre de vote bureau de vote nit ñi mëna nek pour couvrir ko donc activité électorale yi jël le dessus ci activité de structuration donc calendrier électoral bi muy changé des fois lolu di don problème D'ailleurs, point boobu le dialogue politique bi la la rationalisation du calendrier électoral parce que nous mi nga xam at parce que ku nous, au lieu de respecter calendrier électoral bi da ngay jéem def ay aménagement changé il faut heure boo jouer ci animation ak ci vie parti politique et c'est ça qui amène ces difficultés là on n'a pas cette stabilité et cette maîtrise du calendrier électoral Nous je inscrit ci donc euh, dialogue politique bi mais en 2024 il y a élections locale comme c'est pas encore fixé on a le temps pour cette fois de pouvoir réussir cette situation. déjà nous dialogue bi nous dialogue politique nga famille, commission la dialogue national dialogue national bi Nous ñi nga front bi ci dialogue donc nous, nga fa. te li ñu fa jog Sénégal fexé ba tay nous ñu am ay règles électorales yu maîtriser Nous parce que si vous le Sénégal, depuis 200 ans, nous avons voté, depuis 1848, avec l'élection de Barthélemy durand Valentin, nous avons dit question ou règle du jeu. Alors que les règle du jeu, dans le cas pour ne pas jeu. Mais est-ce que parrainage beaucoup, beaucoup, d'un côté double ou d'un côté double Tu es un gars nous n'avons pas de à chaque fois pour avons une élection. Et il faut nous faisons des Guinao. Vous avez fait, vous n'avez Sénégalais, vous c'est mon programme, le jeu lii Vous bu bipion ñëwee bii pion laa pousse ci économie bii pousse santé bi bii pion laa wul pousse ci enseignement bi bii pousse ci secteur yi nga xam ni moo Sénégalais mais pas ci règle mais ci jeu bi lui-même donc moi, très sincèrement dialogue bi li fa génne yëpp comme consensus te moom mu promettre ni dina ko respecté ñoo ngi xaar nous respecté ko ndaxte ñu am bu boobaa fichier électoral bu transparent bu fiable am également ay électoral stable pour que les sénégalais continue à consolider sa position en termes de démocratie de l'Afrique, mais également dans le monde